et les erreurs Euh, ce que j'ai compris euh, au niveau du port c'est que on parle de 700 je ne sais pas des gens de licenciement et le le DG Mignon, muy qu'on a d'abord les 400 étaient déjà chez eux chez eux avant avant mon mignon hmm. les 400 les chez eux comment maanaam de tamit que que au chômage technique d'accord les 300 je suis topp mais c'est le contrat qui est arrivé à échéance Le monde, contrat, contrat veut dire sa contrat jeex ba entreprise ngay dem sa contrat jeex ngay yoon ma nga may jël par hmm. mais loolu moo xew. te foofu dama ci profito tamit j'ai vu euh, une vidéo bo xamanteni gis na ku ci wax ko xamanteni wax deug yalla fim mu buñu wax ci yu mel noonu ak li xew lu concerne réew mi. Hmm. na nopi nek ci lam nekkon ci jamono ji set bi ko kan- senegal kan- soxla. kan kan, kan muy muy muy bekay mbay bekay mbay bu borom Bantamba Bantamba nit ñi lañ soxla diko ko d'accord lolu loolu nit ñi nga koy hmm. waye li nga xamni tay bi mom biko senegal soxla

Même comme à à l'image de beaucoup de sénégalais hein, li limu limu défendre 700 euh, emplois là, donc 700 yakar là est-ce que le le le DG du port Waly Diouf Bodian notamment a am beaucoup plus d'humanisme ci approche bi muy am ak ñom défendre en termes de. xam nga tay mooy xam nga jusqu'à présent vous n'avez pas entendu le directeur parler. Hmm. nous nous sommes nous nous nous sommes dans un nouveau régime un nouveau régime qui prône le une rupture du quoi on ne ngay toog bureau rek nga a réagir pour l'ami de contre feu nous sommes méthodiques dans ce qu'on fait D'un un problème c'est sûr que le euh, ministre jour jour le directeur général autant pour moi bis bu pour expliquer les les Sénégalais vont comprendre mais ces gens de débat là d'abord euh, ils ki day teg taxaw intérêt ensuite les gens de mauvaise foi vont essayer vraiment de de raviver ce feu là essayer de dire de de de de jéem Sénégalais te fekk ni amuñ ci benn information bu crédible wala amuñ ci benn information bu leen leer donc c'est le directeur général ñu teg ko à un poste mu nekk di doxal nañ ko bàyyi mu doxal lépp li nga xam ne moo ci autonome de Dakar dana ko doxal te ku nekk xam na la fa daan dox ce clientélisme politique là et nous on n'est pas là pour ça Pastef n'est pas là pour faire du clientélisme politique Pour autonome Dakar le le le président de la République entière confiance à ce DG-là Mouadjif Bodjan. Donc, ngi donc ku ci information wala ku ci xam attendons ce le, le, la, la, la déclaration du du du. Par, la de déclaration euh, le ministre. est-il tenu même. oui oui le ministre.